la Fada, bonsoir et bienvenue sur votre émission des jeunes da da fatan alheri zuwa gareku Ya azumi, un dai komi communauté tafiya daidai. A fadar mu ta yau, zan mu hirar wa'annan mazan ko mu ce maza da suke cikin yaƙi da kariyar hakkin ya mata da mata. Kai, har ma suke ƙoƙarin su kama musu don ci gabansu a cikin al'umma. Selon un article du blog congolais Members Blog du 27 janvier 2021, une masculinité positive fait référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes dépourvus de violence. Ils deviennent ainsi un acteur de promotion de l'égalité de genre. Comment har mama en bisa kan su fasa musguna ma mata ko su taimaka musu ko su kama musu et au Niger En mai 2020, l'ONG Merci Corps Niger a mis en œuvre en partenariat avec Analytics Center le programme Postman. Tsarin wannan kuma sun kafa shi ne don su turtasawa maza su canza yanayin rayuwar yau da kullum ta al'umma mais aussi un changement de comportement au niveau individuel et communautaire axé sur le contexte socio-culturel, y compris l'environnement politique local, pour soutenir l'égalité et l'équité entre les sexes. mu kuma a nan studio kalangu a unguwar kwara kano muka gayyato kungiyoyin matasa mazansu da matansu don mu ji su kuma yaya ne suke kama ma iya mata kuma wannan iya matan da ake kama ma yaya ne suke Je abun kuma ba a kama ba hallo kuma yaya ne yanayin nasu yake cette masculinité positive, comment elle se matérialise ici au Niger et quels sont les impacts de son absence sur les jeunes femmes. La Fada, comme à son habitude, traditionnellement, nous aurons de la musique. La rubrique préparée par Mr. Rondi et la chronique de notre chroniqueur Olivier. Comme invité sur cette Fada, nous avons Karmado Al-Mustafa Idrissa. Il est de l'AGEP, l'association des jeunes euh, engagés pour une action patriotique. Ça va tu vas bien Alhamdulillah, ça va Comment bien. ça se passe Alhamdulillah, Nana, Nana Salima du CCNEJ, euh, le cadre euh, consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Ça va Ça va. Salima, tu vas bien Ça va. ah, Salima ah, <laughs> <laughs> Nous avons Amadou Gouro Jamila. Elle est également du cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Ça va Oui, ça va. Comment Ça va bien. Sur cette émission, nous avons également Suleiman Abdoulaye du CCNEJ. Ça va, Suleiman Ça va très bien. Tu vas bien Ça va, ça va. D'accord. fada. Et notre ami de tout le temps, vraiment de tout le temps, Maimouna Garba, ambassadrice Rezan Maimouna. Ça va? Ça va. Kina bah Alhamdulillah. To ya Azmi. <laughs> da dama. Zan zo direct da tambaya ta ta a fari bisa kan wannan shirin da zan aika muku. Décrivez-nous l'environnement. Quelle place occupe la jeune fille, la femme, selon vous? comment wat irin hulɗa ce ke da take da da maza? Mai mana zan fara gare ki? eh na da wannan tambaya mai ake cewa Rabi'a ita ce ke tarbiyyatarwa ita ce ke kula da gida ita ke kula da miji kenan gaskiya ta cancanci a kula da ita yadda take nan ga kula da ɗiya da gida da eh, abubuwa da dama kuma ba ma haka nan ba in an duba a wani fannin kuma eh, damar on va commencer par ça yawa mun su yawa wannan bai ma kai a ce ku ce akan shi ba uh-huh. mun su yawa mm. rabi'a abin da nake so a gane kamar alhamdulillah mun gode ma Allah mu matan yami kamar uh, ba mu aikin karhi yadda ni gaskiya na gansu a kasashe waje yadda mm. mace ke yin dako mace ke yin ayyukan na karhi hakan ga Mai munan ga ana iya cewa mace tana tallafa ma namiji wajen kula da rayuwar yau da kullum kenan eh, ana iya cewa in babu ita babu rayuwa gaskiya euh, to salima quand on parle de la jeune fille nigérienne comment tu la vois toi ya ya kike ganin ya mace ta Niger matsayinta a cikin rayuwa al'umma ni dai in aka ce ya mace ina ganin ta ne wata me ake cewa wata abu daban par rapport ga namiji puisque ton education kin da ake yi musu da masu ka taso cert suna tasowa cikin gida guda mai tun éducation education kin su yanda ake tretan su cikin gida on sent, on sent vraiment un déséquilibre en fait, puisque les, les garçons sont priorisés. ita ya mace ana cewa voila ita mace ce tun ta taso tun tana yarinya ake sa mata wannan cikin kai bai kamata ki haka bai kamata ki haka et puis même s'il y a des opportunités qui se présentent des fois quand c'est la femme on va dire que non toi tu es la fille euh, in namiji ne kuma kawai on va les laisser faire gaskiya wannan kai ɗiya mata suna ake cewa suna kuka da shi saboda ni abin gani a gwada musu bambanci tun suna yara wannan ma kamar an kaskantar da su ne ina iya cewa kamar aka cikin ba ba eh. voilà Idrissa oui globalement dans cette société comment comment se passent les rapports homme femmes quel genre de relation on a euh, dans la, société ou euh, dans l'administration, dans la famille, tout ça là. Mm. La relation entre hommes et femmes, je dis que je me dis qu'elle est, elle euh, occupe une place importante et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et moi, je me dis qu'il y a deux Niger. Le, le premier Niger, c'est ceux-là, les premiers Nigériens, c'est ceux-là qui vivent dans les villes. Et ah les deuxièmes, c'est ceux-là qui vivent en campagne. Oh, Donc, du point de vue de Wayne de ce qui est et là, ou bien dans les villes, il y a une différence très claire. Par exemple, nous, nous sommes ici en ville, nous avons une relation très importante, nous partageons beaucoup de choses avec nos camarades filles et ceux qui sont dans les campagnes ne vivent pas la même chose. Par ah. exemple, une fille de, de campagne, quand on lui dit de à chaque fois, on lui dit d'aller faire des, des, travaux qui peut-être sont hors portée de, des petites filles et les hommes sont assis généralement à la maison. Là, je me dis qu'elle n'est pas équilibrée. Comment que ça soit un akaté kauye ko aka zo nan cikin birni kakan da diya maza da diya mata ko mata da maza kakan da hulɗar daban-daban ce daban-daban a cikin birni ana hulɗa wurin aiki eh, ga munan nan gade ba ga munan tare da ku muna zaune ce suna au village, c'est pas évident parce que quand vous allez inviter eh, les filles et les garçons eh, sur une même place, on va vous dire qu'est-ce que vous allez introduire chez nous. Donc, mhm. du coup, c'est une mentalité qu'on a. Même nous, nous avons cette mentalité. Donc, ce n'est vraiment pas évident à ce qu'on associe les jeunes garçons et les jeunes filles au village comme ça se fait ici en ville. Ou même les jeunes filles peut-être se disent que non, quand je vais m'associer avec ces garçons pour travailler ensemble, on va me voir sous une autre, euh, comment on appelle, direction, on va me dire que ouais, je suis en train de dérailler. Euh, c'est ça quoi. Donc nous nous sommes vraiment, dans un autre monde ici en ville. Pour ceux qui sont dans les villes, ou Vraiment, c'est dans quel secteur où on voit garçons et filles, ils sont ensemble, matin, midi et soir, ils travaillent ensemble C'est sur quel plan Dans là les administrations mhm. et surtout dans les écoles. Dans les écoles, généralement, les filles et les garçons, et on est toujours ensemble, on travaille ensemble, bien qu'il y a peut-être souvent des indifférents parce que d'autres ne comprennent pas. Elles pensent que la fille, elle doit faire ceci, cela. Il y a parmi eux quand même ceux qui comprennent. Euh, là, on vit mieux. Mhm. La rubrique, l'artiste exprime. Et juste après, on continue on peut pas, on peut pas tout donner sur cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez certainement constaté que c'est Rugia Rodan d'Ali Soyeya sur cette émission. On va tout de suite et maintenant permettre bien sûr à l'artiste de s'exprimer pour permettre aussi à la jeunesse nigérienne de la cerner en 5 bonnes minutes. Commençons par le commencement. Qui est Jamila Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a ah, ina muku kowa fata alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya mhm. da farko dai sunana Jamila S. Mhm. Ni haifafa wannan garin ne Yamai. Na aka haife ni kuma nan na ga kaina haka. Yau shi ne kun fara wa dandalin su yau shi ne kun fara. E gaskiya na ma da shiga waƙar dandali. Mhm. Tunda akalla dai ina ga ko ban yi ba na yi kusan shekara bakwai cikin haraka dandalin soyayya. Shekara bakwai? Eh. Da kin fara? menene ya sa ki dandalin soyayya kawai ina bukata haka nan dai ne ina sha'awa waƙoƙin dandali fina-finai haka eh. to ban dai yi tunanin zan zama mawaƙiya ba ah. amma sai gashi Allah ya sa na zama mawaƙiya ok d'accord tu te rappelles un peu de tes débuts dans le dandalin soyayya il y a de cela de sept ans eh to gaskiya haka ne eh. lokacin da na fara tunkara wannan haraka eh akwai wani eh, tonton ina eh. na mishi magana kan gaskiya ina son haraka dandali dokom shi ma yana cikin waɗansu ƙungiyoyi da dama na dandali mhm. to shine ne ce sai dai na yi magana da fara ina a mhm. a dai in sun yadda kwamsa ba damuwa za mu iya tankara wa'yansu daga cikin abokanansu sai mu tattauna ah, ko ya ne eh. da kanka ta gida kanka ma fara ya saka ce kin samu matsaloli ko ko an barki take eh to gaskiya ban samu matsala ba bisa ga yan tunda da abin da nake so in dai abun kwarai ne suna ba ni goyon baya eh. ɗari bisa ɗari bisa abu ban samu wani matsala ba gaskiya dandalin soya a nan ga kasa yayin a ci ganin ku kuna samo kanku kiki ko koyi da yana ce eto eh alhamdulillah wani bangare muna samu amma hmm. ba sosai ba hmm. saboda gwamnati dai har yau dai muna bayanta hmm. amma ba su cika ba mu gudunmuwa kama yadda ya kamata ba amma ana samu dai a haka ina so ki gaya mini yaya ne kuke yi a restaurant nan ne kuke a restaurant kaske da an san da kuna da wani sabo ba sai ku ta can a nigeria sai ku aiki ku zo yawar haka kuna da istuduka da suke ba ku dama ku yi abun da kuke so cikin a restaurant ko har yanzu ma muna gonan jiya a gaskiya an samu sauyi mhm. a yanzu gaskiya akwai istuduka da dama da mhm. muke aiki a ciki misali gaskiya suna kai kusan bakwai bakwai e, ni Ladies and gentlemen, nous sommes donc arrivés pratiquement à la fin de la première partie consacrée à Jamila. Qu'est-ce que Jamila a comme dernier mot à l'endroit des fans de la musique nigérienne, à l'endroit des femmes qui regardent cette émission, à l'endroit des hommes qui aussi nous suivent à travers les 52 radios partenaires du studio Kalangu, à travers aussi le site euh, n'est-ce pas, de ce studio qui fait beaucoup pour la jeunesse nigérienne. Eh gaskiya shawara zan bada kuma da jan hankali ga gare mu irin matasa mhm. waɗanda ayyuka da dama suna renawa ba su son yin aiki sai dai gurinsu kawai a ce an gansu cikin babban kamfani suna aiki mhm. mai irin waɗanda ƙananan ayyuka ba za su ba to dandali ana mishi kallon wani iri amma gaskiya a zahiri ba haka ba ne duk sana'a in ka ɗauke ta ka girmama ta haka za ka ci gaba a kanta akwai ƙalubale da za ka fuskanta to amma kai ne za ka yi taka tsantsan da waɗannan abubuwa tunda misali ko da a ce kwasa shara kake yi za ka iya fuskanta ƙalubale da dama me kai ne za ka iya taka tsantsan tun da kai ne ka ga dama kayi niya kuma za ka yi to gaskiya matasa a tashi a nemi aiki ko wani irin aiki ne ka a ga su ko ko ka arena fadu son métier Jamila, sur l'émission Tous Salafada de Studio Kalangu. Voilà, c'était la rubrique L'artiste s'exprime. Nous sommes sur la Fala aujourd'hui, installée au siège même du studio Kalangou, au quartier Karokano. Aujourd'hui, à cette là on parle de la masculinité positive. Un plus pour l'épanouissement de la jeune femme. ambassadrice amadou jamila du euh, Suleiman Abdoulaye du CNJ également, Karmado al mustafa Idrissa de la JEP, de la voilà, Lawali Tahirunana Salima du cadre consultatif euh, nigérien des enfants et des jeunes. Je vais à ma troisième question. La masculinité positive, comment elle se manifeste au Niger Selon toi, tu es aux côtés de ces jeunes femmes, vous êtes dans la même association et Abdoulaye, voilà. Kana tare da ya kuka tare da su kuma tare kuke aiki. Ina so in mata da iya mata tu et en fait, parlant de la thématique de la masculinité positive, mhm. l'homme doit impérativement respecter cette femme-là, ou bien disons cette fille, parce qu'elle occupe une place très très importante de la société. Ok. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à être dans une association aux côtés des femmes, des jeunes femmes. Voilà, ce qui m'a motivé, moi d'abord, euh, Et j'avais grandi au village, une localité où quand tu vois un homme, une femme, il y a un très grand, euh, un très grand écart entre eux. Et moi, euh, j'ai suivi mes études. Maintenant, j'ai compris, je collaborais avec les filles de l'école primaire jusqu'à l'université. Donc, il y a eu une habitude. Je ne peux ne pas vivre avec ces filles-là voilà pourquoi on est venu ici. Nous avons commencé la vie associative avec les filles. Et petit à petit, ça, ça évolue et j'ai commencé à, avoir l'importance de vivre avec les filles. Ok. Oui. Mais après, comment ça se passe pour toi Pour ceux qui ne sont pas dans, dans, ton cas, comment Ceux qui ah, comment ça a ah, Yamata, comment ils te voient Est-ce que quelqu'un t'a une fois dit cest yasa kake tare da wannan mata me yasa a kuna tare da su tusala quelqu'un t'a une fois posé ce genre de questions bon en fait eh, pas du tout mais ce genre de questions généralement sont posées au village ah d'accord oui <laughs> donc si tu vas au village avec euh, <laughs> oui. tes camarades là za y ka kai Mala, yani, voilà. ya ake kake ranga yawo tu vas au village avec les filles comme ça, les gens vont me regarder autrement. Ah, regardez Suleiman, Ce qu'il fait là, bon, généralement, il a changé. Il traîne avec des filles, hein. Il ne pas filles. <laughs> Ça, tu hein. Ok. Hein. <laughs> ok, c'est pas évident. hein uh-huh. Il y a ceux qui disent ça, il y a ceux qui, se posent la question. Quand ils voient les hommes traîner avec des filles ou bien travailler ensemble, ils vont penser autrement. Je vous donne un exemple. Tout récemment, ça fait pas turancin har ya wasu na shirin yake cewa nan eh, ko anan cikin manyan birane hakan ga oui oui à l'université tout récemment ça faisait ça fait pas longtemps en fait je causais avec un ami bon c'est ça les eh, syndicalistes eh na hira da wani aboki na kusan harkar su syndicalistes kin nan sai su gewayo ba in suna surtout in mata ne kwa mm. suna son voix ils vont venir de l'autre côté ça same ka lalle me ake cewa cikin lungu su sa maka kai il faut kai kai syndicat kai minene kai minene or kuma in sun hito waje qui suke tau suna zagin ka pourtant tare matin ce qu'il lutte. il faut la lutte ensemble mm -hmm. maintenant j'avais un ami muna nan ga hira qu'est-ce qu'il m'avait dit wallahi sai abin da yace mini cewa ya shi wallahi in kanwa shi ko kuma budurwar shi ta ce tana sayan dika wallahi shi da ita in kanwa shi ce ka shi ma zai bata in kun budurwar shi ce shi shi kenan shi da ita yara da ita kuma su ne suke neman hallo ku zo ku eh, shiga tare da su sai c'est que comment c'est ancré dans leur mentalité même en ville c'est pas que dans les zones rurales ko cikin birni ma akwai masu wannan tunanin akwai su diyawa ma kamar gaban mata ko suna maske mais c'est que a réalité in suka tai da la vraie vie voilà comment ils voient les choses vraiment euh, structure tu vas voir euh, souvent et il y a des garçons, ils sont là, peut-être euh, pour les jeunes filles, ils sont là dans les associations et tout, ils font semblant. Mais en réalité, quand tu causes avec eux, tu vas voir que vraiment, ce n'est pas du tout le cas. pas vraiment Chez eux, oui, oui, ils font tout le contraire de ce qu'ils disent en fait. Et ça, ah, vraiment, ça fait pitié. Les garçons, là, là, là, là, vraiment. <laughs> Idrissa, Kaju Soukou. ce suke ba sa Les camarades su su des activités avec les petites filles, des mm. choses comme ça. Nous, c'est ce genre de personnes-là qu'on cherche à récupérer. Parce que je me dis que c'est une lutte. Et cette lutte, est le commun. On doit faire la lutte avec nos camarades filles Kena ina gane kama wanda ya mata kuma za a ce su suna bangare guda su ma suna bangare guda we dan su zo wajen mu mu yi combat tare chaque fois quand je parle dans les fadas j'essaie de de convaincre les gens pour qu'ils puissent venir dans les associations collaborer et aller de l'avant ensemble. Et aller de l'avant ensemble. C'est ça. en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et on doit le faire ensemble. To Gawana, de ton point de vue, comment elle se manifeste cette masculinité Comment Aïna ake ganin ta. Eh, me yake cewa Rabi'a kamar yadda suka ina sauraron su a hankali gaskiya kama akwai eh, ɓadda kama a cikin wannan tafiyar yadda suka faɗi shakka babu haka ne namiji ne zai iya hutowa ya ce yana miki gwagwarmaya yana biɗan haƙƙin mata yana taimaka musu amma washe gar sai gan shi sai ce shi Allah ya kiyaye ni irin wanci su irin su wance ma ne ni ban iya arman su alhali wancan nan tare kuke haɗuwa tare kuke tashi tare kuma su suke kama muku kai wani matsayi rabia abin da ke da coki na yanzu a ɗauki siyasa ko da siyasa ce yanzu an ce muke parti politik eh, president ya zo yana son ya yi kamfani ya ki ya so ya yi hulɗa da mata yaya ne kuma hulɗa mu take yanzu sai an ce a ah, to ni gaskiya ban bari matata ta yi kaza ban bari matata ta yi kaza amma matan wasu ake iya tura su wani abu ina adalci yake wurin ga to haka fanni fanni haka wani fannin fanni sai kiga ko da wani activity ne ake yi sai shi yana shirye ta nemo kanwan wata yau wata amma shin an ce kanwan a zo a shiga aikin tare da ita sai ki a to ni yanzu tambaya nake so in yi in dai alkhairi ne ni na tabbata in dai alheri adda ko cikin abin dole zaka barin kanwarka ta shiga to shine wa'an ga kannan namu wa'an suke association tare shi nake so in ce musu kamar de changer une nouvelle tendance puisque in ma wani tsoron namiji ne ake nan gai watakila cikinsu akwai wata mai gurɓatacciyar tarbiyya ko kuma a'a akwai wani mummunan manuwa da ake nan ɓoyewa da ƙasa to wannan ne ya kamata a hudo a yaƙi da shi ba a ce matan su shigo ba kenan il faut que abu ya tabbata kan in base de confiance a sa yarda tsakanin abu ka san da sanin wanga abu ka yi shi a shigo a gidanku a fara a gida ni in namiji ne ya kamata kanwata yata uwata ta a iski ina girmamar da su wannan bai ba da shakka gobe an ga ina yi wata shi sai a ce a ah, wani ha gidansu amma washe kina kana gwada mini lab lab lab amma in ka zo nan gida cikin gida kuma kenan abun abun abun abun bai dace ba a canza shi ni in son samu ne wannan set masculinity positive kenan a haro ta daga gida a fara ta daga gida sannan abun zai yin tasiri don wallahi rabi a duk wanda bai ji tausayin kanwar shi ba da wuya shi tausayin kanwar wata fuski abun da kake iya yi ma kanwar ka a gida ba mamaki washe kana iya yin shiga wata kuma abin da kai mota kuma dole zaka zo kai ma wanka a cikin gida vice versa kenan abun ne so nake a canza shi ba waje mun ke so abun ya samu asali ba abun ya samu tushe a cikin gida namiji ko kaka ne karami ne babba ne yana tausaya ma aifiyar shi jelo ba za shi a gan kana tausaya ma ka a inda abun yake da zahi kamar an riga an sa musu cikin kwakwalwa ne mace tanke tana cikin activity mace tanke tana gaba tana gwagwarmaya kawai ta an ɗauki wani matsayi an bata kawai ke an ce ma ku anniya da wance wance kin kuma dai virus mm. akwai aniya wance in ta shiga cikin gidanka kuma alhali baka san wance da kyau ba yalla in ta zama ita ce sila gyara maka gida yalla ita ce mai kawo maka kwanci hankali a cikin gida kuma duk mm. an rike ga ta yaƙi rabi'a su sun sadakau da rayuwarsu don su samu wasu matan su samu incin su amma alhali kuma su ne abun tunguma to kana da bayani Oui, c'est que notre grande sœur a dit, euh, vraiment, c'est une vérité. Mais moi, je me dis que c'est une vérité d'exception. Et moi, personnellement, j'ai initié beaucoup euh, de mes soeurs chez moi, euh, dans les associations, dans beaucoup d'activités, jusqu'à ce que j'ai essayé aussi de, d'initier beaucoup de camarades de filles de notre quartier. Mm-hmm. Et moi, je dis que la relation, elle est vraiment, euh, comment on appelle, entre nous, la relation est vraiment, je ne sais pas comment, <laughs> comment expliquer cela. On a une relation très importante entre nous, surtout nous oh. dans les associations. Et il paraît que ma grande sœur est, est en train d'essayer d'expliquer que c'est même nous qui sommes avec elle qui essayent de, de... faire euh, campagne, mauvaise, campagne euh, campagne, à l'endroit des, autres camarades mm. pour dire que ouais, voilà, les, les, les camarades filles là, voilà, c'est ce qu'elles font. Il faut, même quand vous allez vous marier, il faut les éviter. Non, mm-hmm, moi je mm-hmm. me dis que c'est loin de là. Nous n'avons pas cette mentalité, mais il y a une exception. Et, et, je vois beaucoup de camarades qui se marient avec des camarades de filles. Et beaucoup de nos camarades sont en train de, marier, de se marier avec d'autres camarades avec lesquels nous sommes en train toujours de vivre, toujours euh, de faire les activités, les mêmes combats. Ben ok, ça veut dire que les choses sont en train de les changer choses sont en ça veut dire que vous, il y a pas, il y, a cette évolution selon les générations. Il y a cette évolution. Peut-être ceux-là qui font cela, c'est des personnes qui, dès le bas âge, n'ont jamais cohabité avec des filles. Ouais, ça m'a ça oui, Généralement, ce qu'on fait, moi, euh, depuis le lycée, depuis le lycée, on fait les activités culturelles avec les petites filles, on répète ensemble et du coup, ça, c'est devenu une habitude pour nous à chaque fois. C'est vraiment votre vie de tous les jours, C'est notre vie de tous les jours. d'accord, c'est vrai. Ça, c'est selon les, générations. Je sens, je sens un peu ça. d'accord. Aussi, je pense que la vie associative, hein? ça ça aide beaucoup parce que grâce à cette vie associative-là, il y a mhm. beaucoup de gens qui ont tellement compris. Parce que certains garçons, avant, ils se disaient que non, les filles n'ont pas droit à ça. Mais quand ils rentrent dans les associations, mhm. Ouais, quand ils rentrent dans les associations, ça change quoi. Ça change, ok, d'accord. Il y a un changement de mentalité. Ben voilà, euh, les choses sont en train de changer tout doucement, ça bouge là. Ok. Il y a un matin de ce qui tu as de a yau kuna samun taimako daga maza kuma wani irin taimako zan zo ranki salima kina samun taimako daga ya mazan ki son autour da tuwa kuma wani irin taimako ne suke kamiki kusa me ake cewa ba a rasawa mhm. fiske ko cikin ilala akwai na kwarai yanzu taimakon da suke kawowa sai su le suce mu Et je crois que c'est ça même, c'est ça même qui est important. Dans la famille, à l'école, euh, ou je dirais à la fac, quoi, euh, tu rencontres puis bon gaskiya suna encourager mu suna encourager mu kware et puis wannan kuma mu kuma yana ba mu karfi amma a ce yau mutum yana tahowa gashi kana abu ko kuma comme par le simple fait que tu sois une fille gâchée, tu es marginalisée, vraiment c'est décourageant. Mais ouais. quand tu as autour de toi des gens, des hommes qui sont là pour t'encourager, là, comment ça te rend, ça te rend plus forte au fait. Yana sa ka kai ji, ka ji daɗin da kake yi, in ma wanda kake kuma ka ƙara sa kai. Parce qu'il y a ce daga gare su ma de de l'eau. Ok, <laughs> ben ok euh, jamila a fait un sani là elle nous parle de ce que ça fait quand la jeune femme ou la femme se sont soutenue par l'autre sexe que ce soit le frère ou le père ou le collègue ou euh, le camarade de classe et quand on n'a pas ce soutien qu'est-ce que ça fait euh, en fait, moi, ce que je dirais d'abord, c'est en tant que fille, toi-même, tu dois savoir choisir ton entourage. Parce que il y a certaines personnes, ils sont vraiment toxiques. Ils sont là, ils te découragent tellement à certains points, ils te disent ceci et cela. Et jusqu'au point où certaines iront à se décourager, et à, se dire que voilà, elles ne valent rien et tout. Tu vois, c'est un peu difficile, quoi. Du coup, moi, je dirais que en tant que jeune fille, tu dois vraiment choisir euh, ton entourage, tes amis et tout. Parce que en tant que femme, si on ne t'encourage pas, si on ne fait rien, en fait, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que on vit en société. L'homme et la femme sont interdépendants. Du coup, quand il n'y a pas l'encouragement et tout, c'est vraiment pas OK, quoi ok kenan ki a ganin ki ya kamata a ce iya mata da kansu sun karfafa eh, kuzarinsu da anniyar su bisa kan abubuwan da suke so su yi mu zan dawo wajen ki wannan tambayar quand une femme ne se sent pas soutenue par l'autre sexe que ce soit dans la famille, dans l'administration ou à l'école ou dans la vie de tous les jours. Comment ça l'impacte Dans quel aspect de sa vie euh, on, on, sent cet impact eh, Rabi, a gaskiya in mace ba ta ranga samun karfin gwiwa ko da a wajen mijinta ne ko kuma a wajen ma'aifinta gaskiya akwai matsala. don ni gaskiya akwai wata babban jaruma da na yi hira da ita take ce mini nike mata barka ina ce mata wance abubuwan kina tafiya gaba abin da kike yana birge ta ce mini mai mutane ce a tace kin san sirri na nace a tace miji na tace kamar mutum ne da koyo na ce na tsaya na dena yace mini wallahi wance sai kin sai kin tahi yace inda nike son ki tahi baki kai can ba rabi'a mu tsaya mu duba in ana iya samun mazaje irin wannan yaya rayuwar ya mace take kasancewa kuma allah ya koma haɗa da wata ita kuma eh, eh, take ce mini wance ma'aifina duk inda zani yana tare da ni in ekol ne an ka ce ana wani activity ita ce in uban kwa bai taiba ma'aifina yana tafiya ya ce in wani activity na ake cewa in dai fara na iya accompany a ce ma'aifina na taya tare da ni to irin wannan in kana samu ina a ce to wanka yana nan ma'aifinka ko mijinka ana na ana kama maka rabi ko akwai wani mummunan wani abu ana iya ceto ka amma ba ku yi ma abun sani ba kun barta ba ta iya tafiya ko ina mace abin tattali ce mace abin kulawa ce rabi'a in ba ta samun taimako yau da kullum ke ba ta ce ka ba ta kuɗi ba shawara ta ta isa wancan mu mun yarda da ke wance mun san kina iyawa wance ke mun san da sanin sai kin yi abin da na wane muna tare da ki tahi to ba ta bukatar sisi wannan ya ishe ta tahi duk inda za ta tahiya ke mace tana iya hawa sama inda tana da suciyankin mutanen da abba ya gare ta yanzu za mu zo mu shakata Je vous propose d'écouter Toutes les femmes sont des reines de Ismaël Lo et on se reprend juste après. Toutes les femmes sont des reines certaines plus reines que les reines. Elles disent des choses qui surprennent, elles brisent les hommes qu'elles enchaînent. Cette chanson pour cette reine qui dit à son roi maintenant, je m'en vais avec le vent, avec les barbares d'Occident ce que tu n'as pas défendu par les armes. Ne crois pas le garder avec tes larmes. Je m'en vais où ton peuple va. Je m'en vais me chercher un autre roi. Toutes les femmes sont des reines, sur terre, sur mer, neige ou désert. Derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Brûlez les villes, brûlez les bouts toutes les femmes sont des reines, on est d'accord sur la FADA. On remercie cette émission aujourd'hui. On l'a installée au siège même du studio Kanango, quartier Kwarakano. Et on parle de masculinité positive, en plus pour l'épanouissement de la jeune femme. Et tout au long de cette émission, nous avons vraiment. Euh, comment Abonné de Makagani Tout ce qu'elle va entreprendre, au fait, et sur tout ce qu'elle va entreprendre, sur tout, toutes ces luttes qu'elle va mener au quotidien, elle a clairement, on le ressent, elle a clairement besoin du soutien du père ou encore du frère ou du mari ou du fils. olivier et on se dit officiellement au revoir sur cette émission Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans l'espoir que vous avez bien commencé le ramadan, je souhaite une bonne suite à tous nos auditrices et auditeurs musulmans dans la chronique de ce soir, nous allons revenir sur cette polémique qui a commencé sur les réseaux sociaux depuis le début du jeûne de Ramadan. Et oui, les féministes nigériennes, certains ont lancé un débat qui très vite a été relayé par les internautes. Le débat est le suivant. Une femme doit-elle faire la cuisine pendant qu'elle jeûne elle-même Ce débat sur les réseaux sociaux a été relayé au-delà des internautes femmes, mais aussi des hommes. Toute cette semaine, chacune et chacun défend son point de vue. Si certains estiment que faire la cuisine pendant ce mois de béni de Ramadan est un effort qui donne beaucoup de bénédictions à la femme, d'autres estiment que laisser sa femme faire la cuisine en ce mois de Ramadan n'est pas du tout galant. En tout cas, chers amis, moi je n'ai pas d'avis particulier sur ce sujet. Comme le dirait une internaute, celles qui font la cuisine pour leur mari pendant ce mois de Ramadan ont fait un choix. Celles qui ont fait le choix de ne pas faire la cuisine ont également fait un choix. Et moi, je respecte le choix de tout le monde. Par contre, J'aimerais savoir, vous, toi qui nous écoutes ce soir, quel est ton avis sur le sujet Faire la cuisine à sa famille pendant le mois de Ramadan, pour ou contre Laisse-moi ton avis sur la page Facebook du studio Kalangu. Sur ce, je te souhaite une excellente rupture et comme toujours, paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye.

kasarta amma tana so a kama mata kuma tana so a kama mata a gida a kama mata a wurin aiki alakol iya maza su kama mata uwayenta su kama mata kuma suka ce ka kai kamar haka ne a larki ofan ba haka bane cikin zuciyarka ba haka bane baka tare da su ka gwada musu kana tare da su a huska kuma a can ka koma baya wala kana nuna baka yarda da su ba ko kana bata musu sunan su bisa kan aikin da suke nan gai to mun gode muku sai mu ce a huta lahiya a sharwa lahiya wannan shirin za su ci gaba da shi da bikiyar aiki ta samira ruwafi za su ci gaba da wannan hira